comme cher internet ou Saint-Louis TV d'aller à ak c'est ci émission fashion Victim. chose promis, chose due Vous de adage c'est un d'où notre présence ici fii Fashion Week Saint-Louis un événement phare qui se tient depuis 5 ans D'autres nous ko présenté et ça a été initié par une dame une Saint-Louisienne qui a su se démarquer du lot fashion Victim c'est d'où du lenn lu dul styliste yi mannequin yi aussi lépp à qui ni dafa jëm ci mode man du lenn def interview waxantel ak tamit alors sama ma Oui, bonsoir. Aujourd'hui, on vous retrouve ici au sein de la Fashion Week de Saint-Louis. Vous avez été invité par qui Nous avons été invités par Astou, qui fait partie du groupe. Et c'est une de mes filles, en quelque sorte. Et C'est avec plaisir que je suis venue assister. D'accord vous trouvez l'initiative Parce que Fashion Week en général, c'est plutôt international. On entend Fashion Week de Dakar, Fashion Week de France, Fashion Week des États-Unis et tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez que nous Saint-Louis comme ville, c'est une vieille euh, ville. c'est un peu laissé à Qu'est-ce que vous trouvez euh, je ne suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites que la mode à Saint-Louis est laissée en rade parce que nous avons de grandes couturières saint-louisiennes qui sont même sur le plan international. Hein. Et puis Saint-Louis fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une très bonne chose, une très belle initiative qu'on ait assisté, euh, qu'on ait euh, fait le, Fashion Week ici à Saint-Louis. Et ce sera avec plaisir que nous allons voir défiler tous nos mannequins sénégalais et puis nos différents couturiers et couturières sénégalaises. Hein, parce que je pense qu'elles ont un bon niveau ici au Sénégal. Hein. nous en avons pas mal. Initiative Bohamantani parce que ça, ça permet de vendre la destination du Sénégal et surtout aussi de, la vieille ville Saint-Louis. Ok, quand nous voilà euh, Mangi ngi lay euh, ci ci ci interview bi vraiment di de ci li nga ñu parce que ndar savons ñep xam nañu né ndar dëkku la vraiment euh, am nañu ay yu bari dañu sur le plan international donc vraiment de nañu dal, ñu fashion week té man particulièrement bo Magla mais sama dom toujours des sept fa qui euh, qui défilé fashion week donc daf ma sonal dit que damay dem seetaan damay dem seetaan aller ko bàyyi mu ñëw moom kenn ma ñëw mais man plaisir la ci man itam. d'accord on vous souhaite une euh, très bonne soirée. merci beaucoup merci. au revoir. Fille, bonjour. Comment vous allez Bien. Et comment vous trouvez la Fashion Week de Saint-Louis Elle est très bien. Ah c'est oui. Le, le décor est, est, bien et tout ça et genre. Euh, on attend de voir les créations pour pouvoir euh, voir euh, euh, le niveau des, créateurs et tout ça. Mais il, paraît que hier c'était bien, donc. Ah donc c'est votre première fois. Oui. D'accord. Et pour le moment, vous vous sentez bien à l'aise et tout. Oui. Vous êtes de Saint-Louis Non, vous n'êtes pas du Sénégal. de Dakar. De Dakar. Vous êtes venu spécialement pour ça, ou bien pour, le, pour le festival de jazz et puis après aussi un peu pour ça. D'accord. Et comment vous trouvez Saint-Louis Très beau. très beau, non Très beau. <laughs> C'est beau, vous aimez Oui, oui. par, rapport ici Dakar, hein. ah par rapport à Dakar Ils habitaient. Euh, c'est plus calme. Oui, c'est beaucoup plus calme. C'est pas la même chose en fait. Non, c'est différent. mais vous. C'est plus euh, vacances, tout ça. Et puis après à Dakar, c'est plus. Euh, ouais, ville. voilà, ville. D'accord, mais vous voyez vivre ici ou bien On déjà vécu ici. Ah oui Et c'était bien Oui. D'accord. Et vous voyez aussi défiler ou bien Franchement Ouais, À ah, toi, t'es au taquet en fait. Tu, es vraiment prêt pour le Ouais Allez peut pas aujourd'hui, mais on verra tard, dans l'avenir. Oui Ok, <laughs> d'accord. Bah, je vous remercie les filles. Merci. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Allez, bye Bye Voilà, nous nous retrouvons à nouveau dans les coulisses de la Fashion Week de Saint-Louis instant bi dañuy interview ak mannequin quelques stylistes juste pour vous montrer le fond. comme tonton salam. Tay le ñu retrouver le Fashion Week de Saint-Louis ñu la doon euh, yow lan la fi fi déjà man doomu la ndax fi parents donc euh, nga événement pour participer D'accord. C'est votre première participation Oui, c'est mon première participation dans Fashion Week de Saint-Louis. D'accord. Et vous êtes un styliste ou bien Oui, je suis styliste, oui. D'accord. Vous avez amené des éléments. Vous allez défiler alors Oui, j'avais défilé tout à l'heure, oui. D'accord, Inch'Allah. Et comment vous trouvez la Fashion Week de Saint-Louis Extraordinaire, extraordinaire parce que là, je suis euh, très, très, très, très heureux pour une simple et bonne raison, parce que bon, Saint-Louis a toujours été le, plat tournant donc, de la mode africaine. Et que je vois maintenant, on, recrée encore à Saint-Louis, on, voit les, créativités, l'imagination débordante qu'il y a ici, c'est extraordinaire. Ça ne, peut, ça ne peut que me faire plaisir. C'est vrai, c'est très extraordinaire parce que Fashion Week, je pense que le plus souvent, on le trouve à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, le trouver dans une vieille ville comme Saint-Louis, c'est extraordinaire et c'est notre fierté. Saint-Louis n'est pas une vieille ville. Ah bon Saint-Louis, c'est une jeune ville. Hein, elle se réveille, elle s'endorme, elle se réveille à nouveau. C'est comme ça Saint-Louis depuis, depuis tout le temps. Donc Saint-Louis n'est pas une vieille ville. On la considère comme une vieille ville, mais elle est jeune, Saint-Louis. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc elle est jeune. <laughs> voilà. C'est très modernisé, en fait. C'est très modernisé. Bah oui, bah oui. Saint-Louis a vécu dans le temps a vécu et continue à vivre encore. Donc elle est toujours jeune. Je suis tout à fait d'accord avec vous. qui vient à Saint-Louis tombe amoureuse euh, ou amoureux de cette ville. Donc elle est toujours jeune. C'est vrai, euh, c'est vrai. C'est une ville séductrice en fait. <laughs> Exactement. <laughs> d'accord. Votre dernier mot bah, Mon dernier mot, bah, c'est euh, vraiment être content d'être là. Pour la première fois, donc, je participe donc, à Fashion Week donc, à Saint-Louis où j'ai défilé devant toute ma famille et c'est vraiment un plaisir et bon tous les défilés que j'ai pu faire donc à travers le monde c'est celui-là dont j'ai le plus fier. Parce que là, j'ai défilé devant ma famille, hein, devant mes racines, et ça, il n'y a pas de prix. Voilà. Et je j'espère que ça va continuer, et toujours, et toujours, et toujours, avec une créativité euh, ce qu'il y a ici, quoi. D'accord, Inch'Allah. J'espère que ça ne sera pas toute la dernière fois. <laughs> j'espère, j'espère oui. D'accord, nous vous remercions et on vous souhaite euh, une très bonne soirée. Merci, bah, vous aussi. Donc vous allez voir de très très très belles choses qui vont vous ravir. D'accord, Inch'Allah, on y manquera pas. <laughs> Allez, merci. monsieur. madame. Comment vous allez Très bien. On vous retrouve aujourd'hui sur la Fashion Week de Saint-Louis. Comment vous le trouvez bah, Très agréable par rapport au climat, par rapport à la ville de Saint-Louis qui est une ville riche en histoire et par rapport à toutes les festivités qui donnent une ambiance extraordinaire. Vous êtes un animatrice, je pense, très reconnu, Moi-même, je suis vraiment fan de vous. <laughs> C'est pour ça que je suis, très, je suis un peu déstabilisée et qu'est-ce que ça vous fait de venir ici présenter quelque chose, euh, euh, présenter un événement qui est reconnu à l'échelle internationale comme la Fashion Week de Saint-Louis et le retrouver ici dans une ville qui est vraiment une... On, dit que c'est une, une vieille ville qui est en rade et tout ça, la mode l'a dépassé, tout ça. Comment vous trouvez ce défi ce en fait On ne peut pas dire que la mode a dépassé Saint-Louis parce que Saint-Louis a toujours représenté la mode parce qu'ici on a une réputation d'élégance chez les femmes, on a les signes, on a euh, on a une histoire euh, qui nous lie tellement à l'élégance et la beauté que on ne pouvait pas passer euh, par, Saint-Louis sans se référer à la mode. Et la mode, elle est dignement représentée par Madame Madeleine Nian, qui est vraiment une femme extraordinaire, qui a tenu absolument à associer cette Fashion Week de Saint-Louis pour permettre aussi à tous les stylistes de s'exprimer et d'avoir une certaine visibilité et profiter donc euh, du festival de jazz qui existe depuis 26 ans maintenant et s'y associer pour nous offrir, parce que avec une telle affluence évidemment, c'est une, euh, c'est vraiment une ouverture pour tous ces stylistes et mannequins de se faire connaître et puis d'être reconnus pour ceux, pour ceux qui le sont déjà. C'est vraiment un carrefour international pour la mode. Saint-Louis, rien que la ville de Saint-Louis, c'est déjà une, coquetterie, une beauté. On a l'impression que c'est une très belle dame, Saint-Louis. Euh, voilà, par rapport à tout ce qu'elle représente, à sa beauté, euh, à l'histoire. Et c'est tout à fait juste qu'aujourd'hui, on s'y retrouve pour partager euh, toutes ces grandes collections qu'on a eues. On a déjà tous les stylistes de Saint-Louis, de la région, de Dakar, et on a également des stylistes internationaux qui nous viennent. Par exemple, euh, hier, on a eu la Turquie, aujourd'hui, on aura les États-Unis, Haïti, on a la Guinée, on a toute l'Afrique qui se retrouve ici, l'Europe, le monde entier. C'est vraiment un carrefour international de la mode. D'accord, donc on vous remercie. Ah, merci beaucoup. on vous souhaite de, passer une excellente soirée. Je vous remercie et je vous souhaite à vous aussi une excellente soirée. Vous allez rester de toute façon. Merci bien sûr, on va rester. On est avec vous jusqu'au bout. Merci à vous demain. Euh, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez Ça va bien. Et j'adore vos yeux, vos lentilles, c'est très joli. Merci. Euh, nous avons fait que c'est le Sikouli sous Fashion Week de Saint-Louis. Nous leur donne le bon sentiment aujourd'hui. Nous avons nous vieille ville, nous avons défilé. Euh, premièrement, contentement à la semaine, vu que c'est ma première fois ici à Saint-Louis. Franchement, ça me va droit au cœur, mais nous avons participé à cette Fashion Week. Et comment vous, vous trouvez la Fashion Week euh, Superbe, franchement, superbe. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois ici, ma dernière fois ici. Bien sûr, on va vous accueillir à bras ouverts. Et par rapport au bien défilé, est-ce que le niveau est bon et tout ça Hum, je rends grâce à Dieu vu que gis évolution par rapport à moi-même par rapport à que mode aussi euh, les stylistes ont créé le en plus nous avons fait touche africaine quoi comprends parce que dafa baax toujours me retourner à ces à valeurs franchement avec les coiffures ici je vois que nous sommes euh, voilà euh, aux années 60 avec les tenues en wax et euh, les molfs et en plus beaucoup, beaucoup de tissus africains aussi. Franchement, ça m'a touché oui, c'est très important en fait. Parce que nous, nous moderniser. Il faut aussi des fois qu'on retourne sur nos valeurs et tout ça. En plus, de wax, c'est quelque chose, nous savons nos valeurs. Alors, c'est très bien. Alors, on vous remercie et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et vous avez quelque chose à dire avant de partir bien? Salut TV, Tchikao Tchikanam, Merci beaucoup, c'est gentil. Et n'hésitez pas à vous abonner. Euh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Euh, Aujourd'hui, on vous retrouve dans les coulisses de la Fashion Week de Saint-Louis. Qu'est-ce que ça fait Quelle impression vous avez en tant que mannequin de venir ici à Saint-Louis et de défiler Juste un petit rectificatif, je suis venu en tant que styliste, en tant que présentateur. Ah, oui. Euh, c'est tout un honneur et toute une fierté de revenir à la case de départ parce que Saint-Louis, je peux dire, est en quelque sorte ma ville natale. C'est là où j'ai passé 8 ans de ma vie. C'est là où tout a commencé, c'est le début, c'est là où le début d'une carrière prometteuse aussi a commencé. Donc c'est toute une fierté de venir à Saint-Louis participer à euh, euh, un événement d'une ampleur, euh, d'une grande ampleur. C'est vrai. c'est ta première fois ici, à la Fashion Week de Saint-Louis, voilà Oui, c'est ma première participation à la Fashion Week de Saint-Louis, mais je suis habitué des lieux parce que j'ai à présenter différents, différents défilés au niveau local. Et quelle impression vous avez au fait parce que l'initiative initiative Tata Madeleine parce que Fashion Week très souvent d'une que entendre à niveau au niveau international je pense que Dakar c'est tout à fait normal parce que capitale qu'est-ce que ça vous fait vous qui êtes natif de Saint-Louis un événement pour la ni sous sous su oui, on est fier, on est fier, on est fier et à la fois on se réjouit, on se réjouit de la réussite de, cet événement, on se réjouit parce que c'est une fierté pour Saint-Louis. D'abord, Saint-Louis est, le, centre de l'élégance, pour essayer de paraphraser Ousmane Sossé Saint-Louis aussi est, la capitale de la mort du sénégalaise en quelque sorte, parce que l'heure à laquelle euh, l'événement a eu lieu symbolise euh, en quelque sorte euh, la culture saint-louisienne avec le fameux Takusanondar. Aujourd'hui, je peux dire que ce sont les signales qui sont revenus et présentés Saint-Louis dans sa totalité et dans toute son originalité. collection les je pense que nous avons une touche africaine. et j'espère que le euh, le tien aussi c'est la même chose en fait vous avez utilisé les wax tout ce qui est vous vous vous êtes basé de notre culture pour ensuite moderniser ça c'est ce que vous avez fait vous aussi. oui notre sacerdoce c'est la promotion de la la c'est la promotion de la culture locale de la production locale c'est-à-dire le consommateur local. On se fixe sur le consommateur local, essayer de, rivaliser, de rivaliser avec la culture européenne. On a apporté, on a fait une collection très moderne cest une combinaison des deux styles, style européen et style africain. Mais c'est la touche africaine qui est euh, le plus en la plus en vue. C'est une bonne initiative parce que dina permettre de connaître dina ceux qui veulent pour la modernité vont s'y voir comme aussi ceux qui sont pour l'africanité et tout ça. Donc monsieur, on va juste prendre votre mot de la fin. Oui, oui, je tiens à remercier tous les gens qui ont eu à m'épauler jusque-là. Oui, et souhaiter une bonne fête à tout à tout chacun. Merci à vous. Oui, aux oh, stylistes en herbe. Merci à vous aussi. On vous souhaite une très belle soirée. Merci, apparemment. merci nos chers internautes comme nous ñu dit, ko diggee woon rek ñoo Fashion Week de Saint-Louis on a eu à parler avec des invités avec des stylistes comme des mannequins aussi l'église li ci des nous ñu dem euh, défilé comme ni ñu ça montre toujours que Saint-Louis est toujours au cœur de la mode et l'actualité est encore avec nous merci. Une première collection. Une deuxième, une troisième, avec les accessoires aussi. le feutre l'organza la soie qui vient pour euh, accompagner ces modèles. Des grands boubous, super tenues. Je les vois. Est-ce que vous pouvez les applaudir s'il vous plaît Superbe modèle, sans oublier les accessoires. Appréciez la qualité des tissus, appréciez comme largeur, dans tout ce qu'on a comme espace de pouvoir s'exprimer, ouvrir grand les mains et permettre à ces dames d'avoir plus de liberté dans leur gestuelle et faire apprécier encore plus ces beaux modèles très divers dans leurs couleurs également. têtes aussi ne sont pas en reste. On n'oublie rien, les coiffures, les bijoux, la soie bien sûr, les tissus sont très riches, très beaux très appréciés. Aussi bien par les personnes qui les portent que pour les personnes qui les regardent. Toutes les tenues viennent avec des bijoux, des accessoires qui accompagnent et qui rendent la tenue encore plus riche et plus belle. Appréciez s'il vous plaît, applaudissez mesdames, messieurs, encouragez Maman Gagnon ne se contente pas seulement de nous offrir une collection, elle nous embarque dans l'univers de sa vie. avec la beauté féminine Je rappelle euh, les tissus euh, soit soie. Autant de modèles très appréciés. Et chez les dames et par les hommes. grande dame qui a pu réunir à Saint-Louis tous les amateurs de mode, leur faire découvrir les beaux modèles de chez elle, leur faire apprécier l'hospitalité saint-louisienne, les mettre dans l'atmosphère et l'ambiance de la jolie ville de Saint-Louis, si riche en histoire, une histoire qu'elle aime à partager avec tous ceux qui viennent ici. Et évidemment, c'est avec sa sœur qu'elle va nous avons eu le grand frère, nous avons sa grande sœur qui va venir avec elle. Et mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, je vais vous demander, avant son entrée, de toutes et tous vous lever pour accueillir cette grande dame qui a fourni un effort considérable pour non seulement installer la service du Fashion Week, la rendre attractive, nous offrir les plus belles collections que nous avons dans le monde. Pourquoi se déplacer si nous pouvons tout avoir ici sur place, dans notre belle ville Merci. d'avoir imposé la scène du Fashion Week. Cinquième année, cinquième édition. Nous souhaitons qu'il y en ait encore 1000 autres. Alors, Madame Nian venez s'il vous plaît, venez avec moi. venez les accompagner, on va les applaudir très fort. Parce que derrière une grande dame se cache toujours un grand homme. Un grand homme très, très ouvert, très chaleureux, très humain, qui a parcouru le monde entier et qui a choisi comme destination le Sénégal. Voilà, les stylistes, le personnel. Monsieur Tra également va venir avec tout le personnel, toutes les jeunes filles qui ont participé. Dio, s'il vous plaît, venez. Dio de Miami qui est donc euh, le seul styliste qui revient tous les ans pour sa participation à tous les niveaux, pour la, beauté de ses modèles, la diversité également. Et euh, tous ces jeunes stylistes. Cinquième édition, je trouve que c'était fantastique, c'était une grande réussite. Parce que tout le monde a été à l'écoute, hein. euh, aussi bien les stylistes les, mannequins, hein, tout le monde était là. La mode a parlé d'elle-même aujourd'hui. Pour la cinquième édition, qui se prénomme Héritage. Héritage de Saint-Louis d'Afrique. Et vous, avez pu le constater que, vraiment, euh, je, ne peux que me réjouir hein, de, cette cinquième édition. Et je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu le euh, veut bien, euh, tout ira bien, euh, on, va, faire encore mieux. Et je remercie tous les gens qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé à cet événement, hein, qui, a été vraiment une très grande réussite, je crois. <laughs> et que euh, tout ça, c'est pour l'émergence de l'Afrique, des, jeunes créateurs. On intègre des écoles, des écoles de couture et tout ça. Et tout ça, c'est pour l'évolution de la mode africaine. Et je remercie tout le monde. Je vous remercie aussi, vous les techniciens, euh, Octave, tous les gens qui ont été ici. Euh, comme je le disais, mes parents, euh, tout le monde, mes amis, hein, mes collaboratrices, tout le monde a été vraiment. C'était une vraie, très grande réussite. Voilà. J'espère que tout le monde a été content et que l'année prochaine, on fera encore mieux. Donc, c'est Inch'Allah, Rabbi. Le monde entier avec nous ce soir pour la Saint-Louis Fashion Week 5e édition. En attendant la 6e édition, Inch'Allah, l'année prochaine. Ciao, ciao, à bientôt, au revoir.